un gars très humble, qui, a, qui aime partager, qui a aidé toute la jeunesse fiscale et la jeunesse du monde. Il a contribué au développement de l'arbitrage au niveau de l'Afrique et euh, surtout au Sénégal. Il a aidé tous les jeunes ici. Badara n'a pas été seulement un arbitre, il a été tout simplement un homme d'une dimension inégalable. Donc, si aujourd'hui nous perdons cette icône-là, nous ne pouvons euh, qu'être tristes, être tristes, tristes pour le monde sportif pour prise pour l'arbitrage ndax Badara mosuñoo seetaan fen dañuy en Afrique ak moom xiif mar Badara jox ñu ñu lekk ay problème Badara réglé ko ñu jóge fii di dem Badara réglé suñuy problème ñun deuxième Gaïndé ñu ngi koy parce que nous savons là où il a amené l'arbitrage la preuve en 2018 seul le Sénégal a eu un trio à la Coupe du Monde Ceci, c'est grâce à lui parce qu'il a eu une vision. Il a préparé des générations de, de jeunes arbitres jusqu'à arriver à ce niveau-là.